demandons également aussi euh, au gouvernement vraiment si les moyens sont là, vraiment de mettre à la disposition de tous les établissements de la région de Niamey et, surtout les scolaires, il faut les doter des masques pour pouvoir vraiment euh, éviter euh, la contamination entre les scolaires parce qu'il faut se le dire. Et nous avons d'énormes difficultés pour pouvoir respecter les 1 mètre au niveau des écoles et surtout au niveau des, élèves de la 6e et 5e. Donc c'est pourquoi nous demandons vraiment de doter tous les scolaires s'il y a la disponibilité des masques pour que les camarades ne puissent pas eh, se, contaminer. Et l'appel que nous allons lancer à nos camarades, c'est toujours de respecter eh, les mesures prises par le gouvernement, telles que de ne pas se salir avec les mains, et de toucher au niveau de la coude et, encore de laver les mains à tout moment et surtout lors des, récréations de respecter les 1